El Nino, plonge cette partie du continent dans une crise alimentaire aiguë, alors que des dizaines de millions de personnes dans la région vivent de l'agriculture à petite échelle, irriguée par la pluie. Pour de nombreuses communautés, il s'agit de la pire crise alimentaire depuis des décennies. En Afrique australe, le mois d'octobre marque le début de la période de soudure et chaque mois devrait être pire que le précédent jusqu'aux récoltes de l'année prochaine en mars et avril next year in March and Selon le programme alimentaire mondial, quelques 21 millions d'enfants d'Afrique australe souffrent désormais de malnutrition en raison de l'échec des récoltes. Aussi, les gouvernements des pays concernés appellent-ils à l'aide. Un nombre record de pays, les Lesotho, Malawi, Namibie, Zambie, Zimbabwe, ont tous déclaré que leur crise de la faim était une catastrophe et ont demandé une aide humanitaire internationale. L'Angola et le Mozambique sont également gravement touchés. Le PAM a besoin d'environ 369 millions de dollars pour soutenir les populations en détresse, mais il n'a reçu qu'un cinquième de cette somme. Les bailleurs manquent à l'appel. La Cour pénale internationale renouvelle son enquête sur de nouveaux crimes commis par les rebelles du M23 en République démocratique du Congo. Le procureur de la CPI a annoncé se concentrer cette fois-ci sur le Nord Kivu. L'enquête portera en priorité sur tous les crimes présumés relevant du statut de Rome commis au Nord Kivu depuis janvier 2022. Cette annonce fait suite à la demande des autorités congolaises qui ont saisi à deux reprises le bureau de la CPI pour qu'il mène des enquêtes sur la situation dans leur territoire. Il est entendu que la lettre de saisine fait référence à des crimes présumés commis par les forces de défense rwandaises et le groupe armé Mouvement du 23 mars. Le rapport final du groupe d'experts des Nations Unies sur la République démocratique du Congo, publié en 2024, a montré que le conflit du M23 avait exposé des millions de personnes à des violations des droits de l'homme et à des violences, notamment des déplacements, des privations, des exécutions extrajudiciaires et des violences sexuelles liées au conflit. Le Rwanda a depuis nié soutenir les rebelles du M23. chants et des slogans exprimant la frustration et la colère contre le Rwanda, accusé d'être derrière le rebelle dim Des centaines de manifestants de Butembo dans l'est de la RDC sont descendus dans le riz ce mardi pour montrer leur soutien aux forces armées congolaises et surtout s'opposer à toute négociation avec les rebelles. Nous sommes derrière, nous les soutenons et nous les appelons à aller lancer les offensives. À partir d'aujourd'hui, nous comptons travailler derrière et pour combattre l'ennemi. Nos hommes sont occupés, c'était ce que nous demandons. Et nous leur disons de dire non à tout ordre pour pas venir les demandant des replis sans aucune justification, des messages politisés. Cette colère éclate alors que la RDC et le Rwanda poursuivent des négociations à Luanda pour tenter de résoudre les conflits dans la région. Le Rwanda pousse chaque jour de dire qu'il y a des l'air au niveau de la RDC, que nous devons les traquer. C'est l'argumentation du Rwanda chaque jour. Mais je considère ça comme une distraction totale. Raison pour laquelle nous demandons toujours notre gouvernement d'appuyer notre armée républicaine, d'appuyer notre FRDC pour la paix durable. Le manifestant ont également dénoncé des massacres perpétrés par le groupe terroriste ADF dans le Nord Kivu, massacres qui ont débuté en octobre 2014. Selon la société civile, on compte déjà plus de 17 000 morts d'être massacré à Beni, à territoire de Loubert aussi. Nous disons c'est assez. Donner tous les moyens et FADC pour qu'ils puissent frapper, frapper lm 23 et la DF. Et aujourd'hui, si je manifeste, c'est pour dire non aux négociations. Des opérations sont menées dans la zone entre l'armée congolaise et l'armée ougandaise, mais ces efforts n'ont toujours pas réussi à mettre fin définitivement à la violence. Dimanche 13 octobre, le président congolais, lors d'une réunion avec les officiers ougandais, Félix Tshisekedi a donné des instructions claires pour le renforcement de la coopération militaire entre la RDC et l'Ouganda afin d'éradiquer l'insécurité dans cette zone. Un navire de la marine italienne a accosté au port albanais de Shenzhen mercredi, transportant le premier groupe de 16 demandeurs d'asile interceptés dans les eaux internationales. Ils ont été secourus après avoir quitté la Libye. Ce transfert de l'Italie vers l'Albanie intervient dans le cadre d'un accord contesté visant à traiter des milliers de demandes d'asile en dehors des frontières italiennes. Le bateau était parti de l'île de Lampedusa avec à son bord 16 hommes, 10 originaires du Bangladesh et 6 d'Égypte. Vendredi, le gouvernement d'extrême droite de la première ministre italienne Giorgia Meloni a officiellement ouvert les deux centres en Albanie. Ces établissements peuvent accueillir jusqu'à 400 personnes dans un premier temps, ce chiffre devant être porté à 880 dans quelques semaines selon les autorités italiennes. Les femmes, les enfants, les personnes âgées, les malades et les victimes de torture seront hébergées en Italie. Les familles ne seront pas séparées. La haute cour de Nairobi a tranché. La procédure de destitution du vice-président kényan Rigati Gachagua se poursuivra. Après avoir été approuvée par l'Assemblée nationale avec 282 voix sur 349, cette procédure doit désormais passer devant le Sénat. Le vice-président avait saisi la haute cour kényane afin d'empêcher cette prochaine étape qui pourrait mener à sa destitution. La motion déposée par un député de la coalition présidentielle liste 11 accusations contre le vice-président corruption, atteinte à l'unité nationale et insubordination entre autres. Soutenu par une équipe d'une vingtaine d'avocats, Rigati Gachagua dénonce un complot lié au désaccord avec le président. Au Sénat, 45 voix sur les 68 seront nécessaires pour appliquer cette procédure de destitution. Pour l'heure, la Chambre haute du Parlement kényan n'a pas encore indiqué la date à laquelle ce vote aura lieu. Les Super Eagles sont rentrés au Bercail mardi alors qu'ils devaient affronter le jour même la sélection libyenne dans le cadre de la quatrième journée des éliminatoires de la Cannes 2025. Les vice-champions d'Afrique ont décidé de boycotter la rencontre, se disant victimes d'un traitement inhumain en terre libyenne. Alors qu'ils devaient atterrir à Benghazi, leur avion a finalement été dérouté vers Al Habrak, à 220 km de là. Ce n'est pas la première fois. La différence est que cela arrive à notre pays, ce qui est un grand affront pour la nation nigériane. Je n'aurais jamais cru que cela se produirait un jour de cette manière. Une situation considérée comme une prise d'otage par l'équipe, le retour au Nigeria a été un véritable soulagement au regard du calvaire vécu. Ce voyage, je ne dirais pas qu'il s'est bien passé, mais nous remercions Dieu d'y être allé et d'être revenu sain et sauf. Hein, c'est une prise d'otage. La Fédération libyenne de football a déclaré qu'elle regrettait le détournement du vol. La Confédération africaine de football a promis d'ouvrir une enquête. asalaamaaleykum mbokk yi ñi nga am mbégte dalal leen ci seen xibaaru météo li ci gën a fës nag doon ay taw yoo xam ni yu bees yu ñuy xaarandi ci gox yu bëri ci réew mi tey ci guddi gi taw yooyu nag dana tàmbale ca boor yu bëj-gànnaar ak penku ah, waliyaan jëm ci gox yu bëri ci réew mi ah, bu ñu demee ba ëllëg nag mbokk yi ci alxames bi tekkaara lañ fi gën a nemmeeku jant bi nag moo fi gën a fës bu ñu jaalee ci suñu animation satellite dañuy gis que ni dina am niir niir yoo xam ne dana ànd ak taw yuy ah, jugee booru wal yan jëm ci boor yu bëj Saalum réew mi waaye tamit ay niir yoo xam ne dana jógee boori Mauritanie dugg nag ca boori bëj Gànnaar ak penku réew mi